donc côté c'est bien verrouillé il ne faut pas que vous leen neex rek pour bëgg a nit C'est un patron de presse yi les leen presse gens def mais depuis 1992, des télévisions des sites des tout ont exploité mes réalisations mais ça suffit amul à part deux bi le combat euh, ITV lay jox signal Sen TV dañ ko jox signal cette tv dañ ko jox signal duñu jox kenen signal yenen télévision yi nga xamni c'est des télévisions les grandes télévisions fi nek ku melni RTS ku melni euh, TFM ku melni ni Walfadjri RDV ku ci ne da nga am ben caméra ak sa reporter ñom lañuy accrédité ñaari nit duñ ci accrédité ñet duñu accrédité photographe amna nañu suñuy photographe am nañu suñuy caméra